Toujours dans votre journal People à la présentation c'est Seydina Tange Tandian Une Saliou sur VIP People TV Les nag dañuy dem seeti benn vidéo bi nga xamante ni def na commentaire ak analyse am président de la république son excellence Macky Sall président de l'union africaine ba mu demee jàkkaarloo nga Vladimir Poutine. La rencontre entre le président Macky président de l'Union africaine et Vladimir Poutine est particulièrement important. D'abord parce qu'il y a urgence. L'ONU euh, a annoncé potentiellement un ouragan de famine. Les Africains sont tous potentiellement victimes de la guerre qui se joue en Ukraine. C'est important euh, parce que euh, lors de cette réunion, on a parlé solutions pratiques. On ne s'est pas contenté de principes. Alors, est-ce que ça va être par le port d'Odessa, celui de Mariupol Il faudra suivre en particulier euh, la rencontre de Sergei Lavrov et des dirigeants turcs le 6 juin prochain, parce qu'on parlera à nouveau des corridors maritimes et de la possibilité d'évacuer ces fameuses céréales par la mer Noire. C'est incontestablement une victoire diplomatique pour Macky Sall. C'est une victoire de sa stratégie de non-alignement, à la fois condamner moralement l'invasion de l'Ukraine, mais en même temps refuser de condamner la Russie, notamment lors du vote du 2 mars à l'ONU. Et finalement, euh, c'est peut-être une page d'histoire qui est en train de, de se tourner. Peut-être pour demain, l'Afrique aura un rôle géopolitique majeur. Alors certes, il n'y a pas de siège au Conseil de sécurité de l'ONU, il n'y a pas non plus de puissance nucléaire, mais il y a la force de la démographie. Lorsque Macky Sall s'exprime face à Vladimir Poutine, il représente 1 milliard 400 millions d'Africains contre 146 millions seulement de Russes. Et puis il y a la tradition de sagesse et de non-alignement qui permet aujourd'hui à Macky Sall de dire à la fois à l'Occident et à la Russie, il faut aller vers la désescalade, il faut aller vers la paix kon ñoo sétando vidéo boobu nga xamanteni ki kii def na analyse am def commentaire am ci visite bi nga xamanteni ki di président de la république Macky Sall def na ko ci Russie ci Vladimir Poutine mom nag ak Bougane Gueye bokku ñu xalat ginnaw Bougane Gueye Dani bimu ko ñaawlo ki daf ko rafetlu parce que nee Macky Sall dafa dem jàkkaarloog Vladimir Poutine bi nga xamanteni dafa important bi nga xamanteni famine bi ñing koy annoncé partout à travers le monde liko waral du dara l'udul guerre bi nga xamanteni ni dox na ci diggante Russie ak Ukraine tay le président de la république Macky Sall jël courage am à deux mains en urgence pour dem régler ben situation bon nopi mu jëlee fa le positif qui dit Vladimir Poutine bi nga xamanteni ñu bëre jéem nañu jéem mënuñu fa am dara qui di Emmanuel Macron di président France amu fa dara Macky Sall dem fa kon donc mi ngi saluer visite bi nga xamanteni président de la République Macky Sall def nako fofu ci Russie en tout cas ni ma koy waxé rek toujours gis ki yu du commentaire yu du qui ki day gisee positif qui gisee négatif parce que aduna mo démé nonu nit ku nekk da ngay xol fan mo gën ci yow rek nga def ko mais en tout cas war nañu sóoraale askan bi xolalé peuple bi ndaxte ñoom

Porsche Arena incha allahu ah. rabbi sama mbokk Gambian people yi may community ñëw leen ngeen jàpp ci ñëw leen ñu baal ñëw leen ñu bëggee because of foofu dafa war a neex dafa war a xumb dafa war a dagal mu sawee incha allahu rabbi je vous invite le 22 juillet lay xewee Allemagne yéen ñi dëkk Allemagne ñëw leen ñi ñëw leen ñu baal parce que lu bees tax lay ñaari nag su ma ñëw incha allah. incha allah noonu lay demee.